Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale, une coproduction de Studio Yafa au Burkina Faso, Studio Tamani au Mali et Studio Kalangu au Niger. Trois médias de la Fondation Hirondelle réunis à Bamako pour débattre d'une question cruciale. Pourquoi les mutilations génitales féminines continuent au Sahel Nous avons réuni des experts et acteurs engagés ainsi que des traditionnalistes et étudiants pour discuter de cette problématique persistante dans la région. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le débat se fera en deux parties. La première partie de 45 minutes et les invités sur plateau et la deuxième partie de 45 minutes également aussi avec le public qui pourra notamment témoigner ou poser des questions. Ce débat public est coanimé par trois personnes. Je suis Emeroulan Ouidraogo des studio Yafa de Burkina Faso. À ses côtés, Rafika Taher du studio Kalangou du Niger. Et c'est moi, Mariam Maïga, qui va introduire le public dans cette émission. Bonjour le public. Bonjour. Répondez quand même plus fort. Bamako, est-ce que vous êtes là On ne vous sent pas Faites du bruit Merci. Alors, le public, il est constitué des étudiants en journalisme de l'ICAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, de l'ONG AMSOF, qui travaille beaucoup sur les pratiques euh, anciennes, également de la direction de l'enfant, direction nationale de l'enfant et de la famille. Merci elles, bien, Mariam Elles sont considérées dans certaines communautés comme un moyen d'asservir la sexualité des filles ou de garantir la chasteté et dans d'autres communautés comme un prérequis au mariage. Il s'agit de la mutilation génitale féminine. Toutefois, ces pratiques ont de fortes conséquences sur les femmes, affirment des spécialistes de la santé. Malgré la pratique de l'excision, l'excision persiste encore dans les pays du Sahel comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission de débat qui porte sur pourquoi les mutilations génitales féminines continuent au Sahel. Merci bien, Rafika. nous avons sur ce plateau comme invité Mme Koulibaly Ramata Traoré. Elle est membre de la CAFO, Coordination des associations et organisations féminines. Également sur ce plateau avec nous, Dioda Diallo, spécialiste en santé sexuelle et reproductive, présidente de l'association Ladamouso des adolescents et jeunes du Mali. Également sur ce plateau, Amadou Diadie Sango, homme de culture et pour terminer, Brahima Balo de l'Association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Avant de poursuivre notre débat, découvrons une capsule réalisée par nos confrères de Tamani au Mali. Cette capsule aborde les conséquences et les efforts de lutte contre les mutilations génitales au Sahel. Elle porte la voix de Mariam Koulibaly. La mutilation génitale féminine est l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques. Cette pratique fait des ravages dans les pays du Sahel selon les défenseurs des droits des femmes. Au Mali, le programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre s'appuie sur les ONG pour mener à bien cette lutte. Anaïs Sagara, chargé de planification. Coordonner ça. Donc, il y a des ONG qui s'occupent uniquement de la prise en charge, d'autres s'occupent de la prévention, d'autres s'occupent des deux. Voilà, donc les cas répertoriés, les cas identifiés, et sont très souvent référés vers les services de santé. Donc en cela, nous travaillons vraiment les mains dans les mains avec les services de la santé, les CCRF, les hôpitaux, les CESCOM et tout récemment les One Stop Center avec lesquels nous travaillons beaucoup pour en tout cas prendre en charge ces complications de l'excision ces complications de mariage d'enfants, bref, toutes ces pratiques traditionnelles néfastes que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Si les causes sont traditionnelles pour les uns et religieuses pour d'autres, les conséquences sont aussi désastreuses du point de vue des spécialistes de la santé. Dr Mamadou Guedjoumakone, promoteur de la clinique mère-enfant Wabrikone, rencontre des cas au quotidien. Il peut avoir des chocs hémorragiques. Les instruments sont généralement sués. Donc l'enfant peut faire une crise tétanique, le tétanos, après l'excision. Ça va causer une plaie au niveau de l'appareil génital externe. Pour surtout les complications liées, liées surtout à l'accouchement sont des femmes qui arrivent au cours de leurs accouchements, même si c'est 3 à 4 accouchements, on va faire une épisotomie, on va élargir un peu le vagin au cours de l'accouchement. C'est-à-dire que l'accouchement peut être très, très, très, très laborieux. Ça peut causer même le décès de son enfant. Voilà, le traumatisme psychologique, c'est encore grave. Une fois que la dame rentre dans la salle, dans, la salle de consentement, on va voir que la dame va commencer à, à parler de ces choses. L'inexistence des textes au Mali conforte les parents et les exciseuses à poursuivre cette pratique. Mais le meilleur des combats reste l'éducation. Grand merci à Mariam Koulibaly pour cet élément. Nous revenons ici avec nos invités. D'entrée de jeu, nous allons revenir un peu en arrière. Euh, Madame Dioda Diallo, vous êtes euh, spécialiste en santé sexuelle et reproductive. Euh, dites-nous, qu'appelle-t-on mutilation génitale féminine Alors, bonjour tout le monde. C'est Madame Diodo. Diodo, autant pour moi. <laughs> C'est Diodo Diallo. Euh, ben, Comme votre journaliste l'a dit, Mariam, c'est euh, une euh, intervention au niveau de l'appareil génital de la femme. cette intervention va consister à faire l'ablation de, des parties génitales, c'est-à-dire le clitoris, parfois il y a les petites lèvres, les grandes lèvres parfois. Donc ces personnes-là font ça à euh, des fins culturelles généralement, mais pas à des fins thérapeutiques, pour expliquer plus simplement pour nos publics. Merci. Merci beaucoup pour euh, cette réponse. Oui, nous allons progresser avec M. Ibrahim Abalo. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les formes de mutilation génitale féminine que l'on trouve chez nous Je suis responsable d'une ONG donc qui s'occupe des pratiques culturelles néfastes de chez nous et qui promeut également euh, celles qui nous fait avancer. Les formes de mutilation génitale féminine, hein, euh, l'OMS a, identifié quatre types d'excisions. Oui, mutilation génitale féminine chez nous, dont c'est plus compris sous... Les, enfin, le commun des Maliens comprennent et mutilation finit par excision. Donc il y a le type 1, en, langage médical, c'est ce qu'on appelle la clitoridectomie, qui consiste en l'ablation du clitoris. Le type 2, donc, euh, qui est communément appelé sous le vocable de excision, l'excision, qui consiste non seulement à, faire l'ablation du clitoris, et également les petites lèvres le type 3 consiste à faire l'ablation des clitoris, des petites lèvres, parfois euh, une partie des, grandes lèvres. Et ensuite, on procède à l'accolement. Mhm. Donc, d'autres appellent ça en termes médicaux infibulation. Mhm. Le type 4, ce sont les, types non classifiés par l'OMS, qui consistent à l'introduction des substances dans les vagins, soit à Mm, appliquer euh, des, objets donc tranchants ou euh, corrosifs ah, sur l'organe génital. Enfin, tous les autres types qui n'entrent pas dans ces trois types-là. Et j'avoue que dans la salle, il y a d'autres experts ici qui sont là, donc euh, que vous pouvez également consulter pour plus d'argumentation. Est-ce que vous pouvez nous dire culturellement, la pratique est-elle ancrée partout dans le pays eh bien, bien sûr, eh, quand tu prends les statistiques, eh, au Mali, eh, 81% des femmes de 15 à 49 ans, celles en âge de progrès, ont subi cette pratique. Et 113% des, eh, des enfants de 0 à 14 ans ont subi la pratique de l'excision. Donc l'excision, elle est pratiquée partout au Mali, que ce soit en milieu urbain ou rural, que ce soit par les, les non scolarisés et est très haut diplômés. Quelle est la région la plus touchée au Mali ici La région la plus touchée au Mali, c'est la région de Caï. Et selon vos informations, vos sources, parmi les trois pays, le Niger, le Burkina et le Mali, qui vient en tête de liste ben, Bien sûr, le Mali vient en tête de liste. donc, mais on va en parler. Je sais que dans les débats, on, va pouvoir en parler. Et il est important qu'on puisse mettre en place une stratégie sachant que l'excision va au-delà de nos frontières, que vraiment les, pays frontaliers du Mali puissent s'unir pour mettre fin à la migration transfrontalière Merci bien. Nous allons revenir à notre spécialiste euh, santé, Madame euh, Diodo. C'est bien ça voilà. Dites-nous, côté santé, quelle différence pourrait-on faire entre les femmes excisées et celles non excisées Prenez le micro. Alors, euh, côté santé, bien sûr qu'il y a une différence, une très très grande différence d'ailleurs. Euh, les femmes non excisées, par exemple, euh, lors de l'accouchement, je dirais que les femmes non excisées n'ont pratiquement pas de problème côté accouchement. Les problèmes peuvent survenir de différentes manières, mais pas par l'appareil génital en tant que tel, sauf s'il y a d'autres problèmes. Par contre, une femme qui est excisée lors de l'accouchement peut avoir beaucoup de problèmes. C'est généralement euh, chez les femmes qui sont excisées qu'on conseille de faire euh, des pratiques de la césarienne, par exemple, soit l'épisotomie. L'épisotomie, c'est lors de l'accouchement. Euh, le fait que le vagin, l'ouverture du vagin est tellement rétrécie à cause de, des séquelles de l'excision, on va devoir déchirer la femme pour que l'enfant puisse sortir. Et après ça, ils vont procéder à l'incision pour remettre euh, l'entrée du vagin euh, comme euh, elle était. Et quelles sont les conséquences immédiates sur la santé physique de la femme ou de la fille soumise aux mutilations génitales Bon, les conséquences euh, immédiates peuvent euh, être, euh, par exemple, lors de, l'excision, la jeune fille ou bien la femme en question peut, peut perdre beaucoup de sang, c'est-à-dire faire une hémorragie. Et ces hémorragies-là, malheureusement, si ce n'est pas pris en charge à temps, peut conduire à la, au décès de, cette dernière. Il y a également des douleurs lors de, au moment de l'excision ou juste après, on peut ressentir des douleurs. Il y a énormément de, conséquences euh, liées à l'excision. Oui, Madame Giordo, puisqu'on parle de conséquences, est-ce que ces mutilations peuvent avoir euh, euh, des impacts sur la santé mentale et émotionnelle de ces femmes excisées Oui, oui, ça fait partie des, des conséquences, les conséquences liées à l'aspect psychologique. Parce qu'il faut reconnaître quand même que l'excision, c'est une pratique qui est vraiment euh, traumatisante pour la, jeune fille et, pour la femme. Voilà. Merci bien. Et, nous allons nous tourner vers euh, M. Amadou Dadier Sango. Dites-nous, vous, en tant que Malien, que représente pour vous l'excision Moi Oui. Ce que représente pour moi l'excision, Alors, l'excision, c'est une pratique euh, pré-islamique reconduite par l'islam et encadrée. C'est une pratique qui appartient à toutes les vieilles sociétés et jusqu'à présent, on a suffisamment parlé de cela sans s'adresser au public cible parce qu'on a toujours parlé en français pour des gens analphabètes. Tout ce que je viens d'entendre là, c'est c'est de l'expertise de haut vol dit en français et qui n'atteindra pas son cible tant qu'il reste à être dit en français. Alors, qu'est-ce que ça représente pour moi Les médecins ont suffisamment développé le thème tout simplement pour prouver que ce n'est pas bon. Et on a développé les méfaits de l'excision, les qualités, les manières, euh, les conséquences de l'excision. Mais est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question comment est venue l'exclusion Pourquoi c'est venu même Et comment va-t-on éradiquer Et où est-ce qu'il faut tirer Quel est le public cible sur lequel il faut tirer et quelle est sa langue Donc je dis mhm. que l'excision est une pratique que nous avons héritée d'une période pré-islamique qui a été reconduite avec l'islam, mais très fortement encadrée. Euh, l'anecdote que nous avons dans l'islam, c'est qu'un homme a fait l'excision, il en a parlé au prophète qui ne l'a pas déconseillé. Mais le prophète ne l'a jamais autorisé. Il n'y a, pas de texte où le prophète a dit il faut circoncire, faut circonciser les filles. Il n'y en a pas. Par contre, il a indiqué qu'il faut purifier les hommes par la circoncision. Il a conseillé sur les conseillé de purifier les hommes par la circoncision et d'apaiser les femmes. Apaiser, qu'est-ce que ça veut dire ah, Ça veut dire... D'épargner les femmes. Là où je dis d'encadrer, même s'il y a circoncision, il faut que ce ne soit qu'une ablation très légère. Pas une plaie profonde, mais une ablation très, très légère. Pourquoi parce qu'on pense que sur cette partie précise du corps, ça fait partie des points génitaux où la femme a le plus la plus grande sensation. Donc, pour atténuer cette forte sensation, on dit comme ça, c'est des commentaires, euh, chacun essaye d'expliquer, etc., etc. Mais il n'y a pas de texte pour, pour, autoriser hein. l'excision, il n'y en a pas. Enfin, en islam. Vous maîtrisez un peu le sujet. Dites-nous, y a-t-il des avantages liés à cette pratique Bon, peut-être que le seul avantage lié à cette pratique, c'est de diminuer un peu la trop grande sensibilité de la femme qui peut lui venir de cette partie génitale. La sensibilité. Parce qu'on est entre nous hommes. On sait quels sont les points d'attaque. Et on sait que cette partie-là, la femme exprime une trop trop forte sensibilité une très forte sensation sur cette partie de son corps. Okay. Madame euh, Koulibaly Ramata. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce que l'homme de culture dit Monsieur Sango ya fɔcogoya min na ne tɛna segi o kan tugun ka segi o ye répétition de ye bɔn muso la muso a bɛ hakɛ to koyi an musolakaw muso o muso k'i bolo kora a bɛ dɔ la i ka la dɔɔnin ka la n'a sɔrɔ i ma furu a bɛ dɔ bɔ yala la cɛw nɔfɛ wa u b'a fɔ yɛrɛ kɛ muso min n'i bolo kora e tɛ nege min bɛ e la aw ka yafa ma nege min bɛ e la o tɛ komi min bolo kora ye bon sisan e, akusuma yɛrɛ ta fan na muso o muso k'i bolo kora accouchement ka nɔgɔn i bolo ka tɛmɛ min ma bolo ko anw ye musokɔrɔba de ye an b'a bɛɛ lajɛlen kalama i y'a mɛn donc sisan bolokoli kɔni bolokobaliya kɔni komi sango y'a fɔ cogoya min na an ka islam a y'a a y'a i b'a kɛ mɛ n'a man d'i mɛ an kɔni sigilen b'o de kan a ma interdit k'a fɔ ko mɔgɔ ye ko f'i bolo ka k'o forcer la a ma interdit mɛ an kɔni bɛ yɔrɔ min na kɔni a ka kɛ o de ka di an bɛɛ lajɛlen an musolakaw ye parce que an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ si tɛ se denmisɛnninw na cɛmannin fara musomannin kan an tɛ s'u la bi an tɛ s'u la sini pour que ka dɔ bɔ nege yɛrɛ la u ka yala yala dabila cɛw nɔfɛ n'u bolo kora merci beaucoup maman euh, votre intervention est-ce que au niveau du public je vais essayer un tout petit peu Rafika je vais essayer un tout petit peu de ramasser parce que les deux présentateurs ne parlent pas un peu bombardage. je vais essayer de résumer ce que euh, Aramata Koulibaly vient de dire tout à l'heure elle disait que euh, l'excision diminue la sensibilité de la femme, comme ce que Sango a, annoncé tout à l'heure à l'entente de ses propos, et que l'accouchement est encore plus facile pour une femme non excisée que par rapport à une femme excisée, et que euh, euh, c'est fait également un peu pour diminuer la sensibilité, pour essayer d'encadrer un tout petit peu les jeunes filles à la maison. Je pense que c'est ce qu'elle a dit en substance tout à l'heure. Ok, je vais, je vais, continuer avec Madame Ramata. Si elle peut nous dire s'il y a des défis spécifiques auxquels ces femmes sont confrontées dans leur vie quotidienne et sociale. Aywa. Mm-hmm. Bon, ah awɔ oh, si bolokoli un fan tafana. accouchement c'est la muso min bolokora ah, Obiseka, bɛ accouchement kɛ ka se fo siɲɛ tan ani or que min un boloko a ka accouchement a mana problème b'a la dɔɔni dɔɔni hali ni gynécologue y'a suivi problème b'a la dɔɔnin attacher fo ka taa se accouchement don ma bon min dun bolo kora kɛ accouchement bɛ se vraiment ni Ala yɛrɛ ta tɛ kɛ a bɛ se ka jigin facilement sans problème u tɛ kelen yɛrɛ ye oui Ok, euh, je pense que je vais donner la parole à M. Ibrahim Diallo. Ok, merci Aimé. Euh, je porte en faux euh, par rapport euh, à, à Madame. J'ai du respect pour les dames, c'est un débat. On va, ça fait la richesse de ce débat. C'est tout à fait le contraire. Il est médicalement prouvé que la femme qui a été excisée a plus de chances d'être exposée au conseil, euh, à des difficultés liées à l'accouchement que celle qui, n'est pas excisée. J'en avais pour preuve, il y a des thèses de doctorat de nos brillants étudiants, des thèses de mémoire que j'ai encadrées moi-même et la part des étudiants maliens qui ont prouvé que la femme excisée est plus sujette à des complications liées à l'excision qui a des problèmes d'ordre sexuel que la femme qui n'est pas excisée. Donc, M. Sango, il vient du nord du Mali. D'où vous viennent ces résultats Ces résultats, ça vient des, des recherches des, étudiants maliens, des recherches. En quelle année et, Moi, j'ai fini eh, eh, l'université eh, en 1998. J'ai fait mon thème de mémoire là-dessus. Il y a, je, je Dr Bibatou Diallo, qui travaille maintenant au FINEAP, a fait son, sa thèse de mémoire en 1984. la thèse du, docteur Fanny. Je pense que vous en avez de Donc, Nous allons maintenant passer la parole à Madame Diodo. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez ce que Madame ou Monsieur dit Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Ballot. En tant qu'agent de santé, en tant que spécialiste dans le domaine, nous voyons énormément, mais je dis bien énormément de problèmes lors de l'accouchement des femmes qui ont subi de, l'excision, surtout dans les cas où les femmes ont subi l'infibulation, c'est-à-dire le type 3. Il y a énormément de problèmes. Déjà, euh, le clitoris aide énormément lors de l'accouchement. C'est un organe euh, qui va faciliter l'élasticité du vagin lors de l'accouchement. Et quand il y a l'ablation de cet organe-là, il va de soi qu'il va y avoir un problème lors de l'accouchement. Les femmes qui subissent en général les cas de césarienne, c'est surtout les femmes qui sont excisées. Je m'arrête là. Merci bien pour euh, toutes ces précisions. Nous allons revenir à l'homme de. Est-ce que je peux rebondir euh, sur euh, la question Et s'il y a un intérêt pour ce débat-là, mhm. le voilà. Nous allons vous préciser que c'est juste vous fournir des informations utiles. Alors, euh, même dans ce sens-là, de vous aider. Voilà des résultats de recherche d'étudiants, de thèses, des résultats consignés qui ne sont pas portés à la connaissance du public. Ce dont elle parle, c'est une conviction profonde de la société traditionnelle dans son fonctionnement profond. OK. Ce dont vous parlez, c'est les résultats de vos études et, comme on dit en gendarmerie ou en sécurité, vos BRQ, vos bulletins quotidiens de renseignement que vous avez compilés pour arriver à ces conclusions-là. Donc pour vous, vous n'accordez pas plus de crédibilité Non, j'ai dit que nous sommes dans un dialogue de sourds. On ne s'entend pas. Ils ont leurs résultats, ils ont leurs convictions, ils ont leurs positions que nous, nous ne savons pas. Dans les pays dont il est question, au Mali, au Niger et au Burkina, quand une femme n'est pas excisée, on la regarde par deux fois. C'est culturel. Alors c'est là-bas qu'il faut aller chercher les causes pour éradiquer ça. Et vraiment, je trouve que c'est déjà un premier résultat de cette rencontre-là, parce qu'on est avec nos scientifiques dans un dialogue de sourds. Ici, malheureusement, au Mali, nous n'avons pas encore de loi qui condamne les, cas d'excision. Euh, les deux types qui sont les plus courants, c'est généralement le type 1 et le type 2. Bon, le type 3 est pratiqué, mais c'est moins que les deux premiers types. Plongeons dans la deuxième tranche qui explore les voies pour réussir la lutte contre les mutilations génitales féminines au Sahel. Studio Kalangu nous propose une capsule pour approfondir ce sujet. Issa Fatimé, la secrétaire exécutive du comité nigérien sur les pratiques traditionnelles néfastes ayant effet sur la santé de la femme et de l'enfant qu'on y pratique. C'est les mêmes exigences de fois qui font le tour. Et c'est ça qu'on ne contrôle pas jusqu'à présent. Et ça aussi, c'est lié à l'insécurité puisque les hommes sont impraticables. Le premier défi, c'est la mobilisation des ressources. La stratégie, c'est la communication sociale la communication sociale pour un changement de comportement et de mentalité au niveau de la population et la population concernée, là où on a les exercices et la zone pratiquée. Premièrement, de vérifier si toujours elles sont là. Actuellement, on est en contact avec les trois pays, trois à quatre pays, même le Sénégal, y compris le Nigeria, puisque nous avons un thème commun avec euh, le CIAF, le Comité international de l'Afrique quoi, sont les mutilations génitales féminines. C'est renforcer aussi la sensibilisation. C'est renforcer et vérifier. Nous sommes actuellement à la recherche de ces anciennes exigences qui ont laissé le couteau pour vérifier si elles ont vraiment laissé et les appeler aussi de venir nous rejoindre pour qu'on fasse cette sensibilisation ensemble avec eux. Si tu es du Niger, tu peux partir prendre euh, une exigence du Burkina ou Mali, ou bien tu, se déplace même avec l'enfant pour partir vers ces pays-là et exciser la femme et revenir. Donc on est en train de gérer ces problèmes-là avec les différentes organisations féminines qui sont là-bas aussi, de dévoiler euh, et voir qui de droit. Merci au studio Kalango pour cet élément. Nous avons ensemble vu les difficultés que cette euh, pratique engendre. Selon vous, que faut-il faire pour bannir cette pratique hors de nos contrées ou pour modérer ou diminuer les effets néfastes de cette pratique. Je m'adresse à l'homme de la culture. Merci. Combien de milliards a-t-on mis dans la campagne de sensibilisation Pour quel résultat euh, J'en arrive. J'ai dit. Dites-nous, est-ce que vous êtes pour ou contre non, euh, c'est une question fermée Ok. Euh, à laquelle je ne réponds pas comme ça. Euh, j'ai dit qu'on a mis des milliards pour éradiquer le fléau. Justement, je vais avoir. C'est parce que cette campagne de com a été mal faite et le public cible a été mal identifié et le vecteur de communication est raté que jusqu'à présent la chose continue. Mais l'excision va diminuer, est en train de diminuer et a diminuer et en train de s'éteindre tout seul. Exemple, dans les régions du Nord, vous n'en entendrez pas parler. Je vais vous dire pourquoi, pour une anecdote que nous avons vécue. Il y a eu 114 filles excisées à Tombouctou à un certain moment. À cause du manque d'hygiène, elles ont été toutes contaminées et décédées. Le conseil de sages a interdit ça puisque ce n'est pas une prescription religieuse, on a interdit. Et la chose s'est étendue à tout le monde, conséquence médicale, Voilà. Donc on a arrêté ça. Mon point de vue, c'est que ça, s'arrête tout seul et je suis contre même. Parce que nous, nous, cette lutte-là a été menée dans des bureaux, ce qui appartient à notre société traditionnelle, cette charge traditionnelle qui nous appartient, au lieu de s'adresser à nous, communicateurs traditionnels, gardiens, à nous, vecteurs de communication de proximité, vous êtes allés dans des bureaux avec vos budgets de communication et restez à communiquer. Si vous voulez que la chose soit recentrée, revenez à la base pour qu'on parle aux gens à la base, pour qu'on leur explique dans, dans la langue de chez eux et en termes d'eux. Dieu a envoyé à chaque prophète quelqu'un de leur, quelqu'un qu'ils connaissent. Moi, si je vais au nord ou au centre, si je leur dis, on a dit, on va me dire, c'est Sango qui a dit, donc il a raison. Si, on vous toi tu viens, on ne te croit pas. Si toi tu viens, on ne te croit pas parce qu'on ne te connaît pas. Si on vous suit bien, vous n'êtes pas pris en compte dans les prises de décision. D'accord. Tout comme. D'accord. Selon vous, pourquoi Hein? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prise en compte dans les prises de décision Parce que le diplôme, c'est le baptême bureaucratique du savoir. Nous, à la société de base, notre connaissance n'est pas quantifiée en termes de doctorat ou en termes de professorat, mais nous sommes quand même les gardiens de la société traditionnelle avec nos valeurs. On est des porteurs de valeurs. On n'est pas des porteurs d'héritage. Vous voulez communiquer, vous voulez euh, manger votre piment dans notre bouche, ça ne passe pas. Merci, Monsieur Sango. Nous allons nous retourner vers M. Euh, Monsieur Brahima. Oui, là-dessus, j'avoue que euh, pendant un bon moment, nous, acteurs, on a travaillé avec les recrutades dont vous faites partie. Vous faites une affirmation vous grave. qu'il a participé à vos. Les c'est-à-dire, quand je dis vous, vous, euh, les communicateurs traditionnels, du Mali. Donc, je vous assimile eh, vraiment, eh, vraiment eh, à ce, à ce groupe-là, qui est le socle dur sur lequel repose vraiment nos traditions. Et en son temps, le programme national de lutte contre la partie de l'excision, mon ONG même a sollicité les pour faire des activités de sensibilisation. Ok, merci pour toutes ces informations. Pas pour vous couper. Dites-nous concrètement, est-ce qu'il y a-t-il eu des avancées dans la lutte contre ces mutilations génitales féminines dans vos eh, recherches Bien sûr. Eh, comme l'a dit le doyen Sango, l'excision est en train de s'éteindre d'elle-même. Au Mali, il y a plus de 1700 villages qui ont été répertoriés comme villages d'abandon de la partie de l'excision. Dans mon ONG, je peux identifier 258 villages qui ont écrit une lettre d'abandon formelle de la partie de l'excision et les couvertures médiatiques ont été faites par, euh, par l'ORTM. L'ONG APSEF, que je salue par, euh, là, donc euh, là, qui a fait des déclarations. Il y a Tostan qu'il faut, vraiment saluer. Il y a l'ONG Tanien qu'il faut, qu'il faut saluer ici. Bref, tous ces acteurs ont, ont contribué à sensibiliser jusqu'au niveau le plus communautaire, jusqu'à ce que les, populations puissent prendre conscience mais l'arbre nous saurait caché la, la forêt. Il y a encore du travail, comme l'a dit les doyens. Il y a encore du travail et il faut encore travailler pour faire changer euh, la, donne. Pourquoi Parce qu'on s'attaque à des mers. On veut changer euh, des comportements des adultes. On veut changer des mers. On veut parler de sécurité, des thématiques assez taboues au sein de nos communautés. D'accord. On continue encore de constater l'excision un peu partout dans le monde, surtout au Sahel. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce qui, qui, freine justement cette lutte euh, contre cette pratique euh, Ce qui freine cette lutte contre la partie de l'excision dans le Sahel, c'est que historiquement déterminé par là de l'empire du Mandé, nous sommes issus de la même culture. Nous avons les mêmes traditions, si bien que dans dans notre euh, culture, euh, ces pratiques ont les oreilles dures, entre, parenthèses, entre guillemets, je vais dire. Mm-hmm. Donc, euh, les gens sont réticents au changement. Deuxièmement, il y a une absence de synergie d'action entre les États d'Israël à pouvoir mettre fin à cette pratique-là. Comment ils doivent s'y prendre justement pour Je viens. Je, pense que les hommes ont monopolisé la parole. Je n'ai <laughs> pas fini, n'ai pas fini, c'est important. Euh, je sais que euh, à, Rome, il y avait le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Niger, la Guinée. Nous, en avons parlé. Qu'il fallait euh, une, stratégie qui va, sachant que l'excision va au-delà de nos frontières, il faudra qu'on puisse être unis pour mettre fin à la partie de l'excision. Mais l'instabilité politique dans le Sahel a eh, fait que ces initiatives eh, n'ont pas pu avoir long chemin. Sinon, si on a la chance de faire eh, ce débat du Sahel, on va pouvoir. Madame euh, Diodo, dites-nous que doit faire le Mali, le Burkina et le Niger ensemble pour lutter contre euh, cette euh, mutilation génitale féminine moi, j'opte toujours pour euh, la communication. En tant que président d'une association qui est basée sur la SR et la lutte contre les VBG. Rappelle que l'homme de la culture euh, nous a conseillé de changer notre mode de communication. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce qu'il dit Oui, notre mode de communication, changer notre mode de communication ne veut pas dire abandonner la communication. Il faut toujours continuer avec la communication, peut-être changer de stratégie parce que euh, il y a, comme il l'a dit, euh, il y a tellement de réticences et puis les idées sont entre guillemets un peu arrêtées dans <laughs> le Sahel quand même. Il y a cette histoire d'excision là, il y a tellement de choses, je dirais, mystiques aussi cachées dedans qui fait que euh, le message met du temps à passer.

Nous allons demander à notre interprète maison. Pas l'utilité, je vais traduire ce qu'elle dit, l'utilité de freiner cette pratique-là, parce que pour elle, en tant que femme, la pratique de l'excision a beaucoup d'avantages. Donc, elle voit vraiment pas l'utilité de, faire des messages de sensibilisation pour freiner cette pratique-là. Ok, merci pour euh, sa participation. Et je reviens à l'homme de la culture pour vous. Vous avez donné une idée de changer la communication. Comment est-ce qu'on peut changer cette communication Comment est-ce que vous voyez euh, ce changement euh, La dame a dit il ne s'agit pas d'abandonner la communication, il s'agit de changer. Pour atteindre plus de Alors, nous avons une illustration pratique de ce que nous recherchons. Voici une représentante de la société traditionnelle à qui vous n'avez apporté aucune preuve pour qu'elle change elle est là, elle est en train de dire vertement qu'une femme non excisée peut avoir 12 accouchements sans risque. Et elle soutient la position merdicus. On ne lui a pas apporté la preuve du contraire dans la langue de chez elle avec une communication et des gens à qui elle a confiance. Donc il faut non seulement changer ce paradigme-là, mais aussi aller à l'autre avec des preuves et dans sa langue. Dans toute société, il y a les porteurs de voix, il y a les porteurs d'opinion auxquels les gens croient. Quand tu vas en région de Mopti, ils ne considèrent ni le gouverneur, ni le commandant de brigade, ni le commissaire de police. pour eux, ce n'est pas la peine. Ce qu'ils considèrent, c'est le marabout, c'est le chef de village et le propriétaire de pâturage. Donc, chaque groupe social a son point d'ancrage pour le changement de mentalité. Et ce sont ces points d'ancrage-là qu'il faut viser, parce que quand eux, ils disent, les gens suivent. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons rapidement faire un tour le temps parce que nous sommes pris par euh, le temps, à commencer par M. Praima. Un mot avant qu'on se quitte. Un mot, un dernier mot avant qu'on se quitte. Un mot avant qu'on se quitte, c'est que euh, tout d'abord, par rapport à la CAFO, plus bref oui, à la coordination des associations étrangères féminines du Mali, personnellement, euh, toutes les présentes, euh, et les présentes de la CAFO ont mené ce combat contre la pratique de l'excision. Je rends hommage ici à Oum Donc, ma présidente Kadija Aoudou Maïga, donc, qui était secrétaire administrative à son temps, qui ont mené ce combat est due contre la, pratique de l'excision. Donc, pour, pour, conduire, donc, euh, et pour euh, donner mon mot, de la fin, j'ai laissé euh, un, mot d'espoir. Le gouvernement du Mali est convaincu que la pratique de l'excision est nuisible pour la santé, est nuisible pour les droits des femmes et des filles. C'est pour cela qu'il a créé le programme national de lutte contre la pratique de l'excision, qui s'est érigé maintenant en programme national de lutte pour l'abandon des violences des les genres. J'invite le Mali, mon gouvernement, euh, donc, à emboîter les pas des autres États de l'AES à légiférer contre la pratique de l'excision. Un dernier mot, Madame Diodo, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour euh, éliminer à jamais la pratique de la mutilation génitale féminine Alors moi, j'irai dans le même lancé. Euh, c'est un cri de cœur que je lance vraiment auprès de nos autorités pour l'adoption d'une loi contre cette pratique néfaste pour la femme. Et vous, Madame Koulibaly, quel appel est-ce que vous pouvez lancer à l'endroit de la communauté, de la population pour un changement des normes sociales en faveur de l'élimination de cette pratique An délégation sensibilisation alors, Madame met l'accent sur le manque de communication. Elle plaide pour qu'il y ait plus de sensibilisation au sein de nos communautés, dans nos villages, dans nos quartiers, dans la communauté en général, pour qu'on puisse mieux sensibiliser, faire comprendre aux gens la pratique de l'excision. C'est tout ce qu'elle dit en substance. On va terminer avec vous, Monsieur Amadou Diade Sango. Euh, qu'avez-vous à nous dire pour mettre définitivement fin à cette pratique euh, dans nos régions Il a donné euh, des chiffres, des statistiques mhm. pour montrer comment est-ce que la chose est en train de se casser et de se Mais la vérité, c'est la sédentarisation et l'urbanisation. Les gens ont quitté leur site d'origine, donc ont quitté l'ancrage, le point d'ancrage. Tout le monde est venu en grande ville. En grande ville, il n'y a pas d'excision. Et ça va s'éteindre tout seul le phénomène, c'est tout seul. Plus un peu de sensibilisation dans les langues du milieu. Arrêtez de parler français à des analphabètes. Arrêtez de parler français. Sinon, vos messages, vos discours ne tendront pas les cibles. Mais la sédentarisation et l'urbanisation sont contre l'excision et ça va s'éteindre tout seul malgré que vous êtes contre l'arrêt de cette pratique, vous avez quand même donné des conseils. Oui, oui, je ne dois pas être fermé. Je ne dois pas être fermé. Je vais donner un conseil. C'est que moi, je suis musulman croyant. Mon prophète. L'islam n'interdit pas. Non, non, non, non. on ne s'est jamais prononcé dessus. On l'appelle ça le mustahab. Si tu le fais, il n'y a rien. Mais si tu ne le fais pas, ce n'est pas une recommandation. OK donc vraiment, euh, la femme a été libérée de ce côté-là. Vous étant homme de la culture, et je suis contre. Qu'est-ce que vous êtes contre Et quel message à l'endroit de cette jeunesse qui vous suit À l'endroit de cette jeunesse, ils ont besoin de comprendre pourquoi il y a ce débat. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a les pour et les contre. La jeunesse a besoin de comprendre et de se faire une religion et de se faire un soi. Peut-être qu'au sortir de cette salle, toutes les filles peuvent se dire, dois-je ou pas, oui ou non, avec la force des arguments, mhm. chacun doit savoir. Donc on n'est plus à un moment où on impose quelque chose à des gens. Oh, le temps ont prouvé que à 40 ans, des hommes sont partis se faire circoncire à 40 ans parce qu'ils ont fini par comprendre l'importance de la circoncision. Donc il faut former et informer pour que les gens puissent faire leur, Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est ici que nous mettons un terme à ce débat sur les mutilations génitales féminines réalisées par la rédaction conjointe du Mali, du Burkina et du Niger. On a noté au cours de ce débat que pour les traditionalistes, elle est un bienfait, faux, rétorque les spécialistes en santé en s'appuyant sur les résultats de leurs recherches. Aussi, on a noté qu'il faut euh, changer la manière de communiquer afin d'atteindre plus de cibles. Les avis sont euh, partagés. Le débat se termine ici, mais les réflexions continuent. Nous allons dire un grand merci à nos invités. J'ai dit Madame Koulibaly Ramata Traoré, euh, membre de la CAFO, coordination des associations et organisations féminines. Madame Dioda Diallo, Diodo Diallo, spécialiste en santé sexuelle et reproductive, autant pour moi, présidente de l'association L'Adamou, SO des adolescents et jeunes du Mali. Aussi Amadou Dadier Sango, homme de culture, Brahma Balo, l'association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Rejoignons-nous demain pour la deuxième partie où nous donnerons la parole au public. Restez toujours à l'écoute sur nos antennes. Merci. Média Débat.